suñu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp góor ndaw yegg si leen ci jàmm sunu émission hebdomadaire bi ñuy tuddee xew réew mi ñu leen koy defal talata bu nekk à partir de 20 h heure de France Conte Talata, 26 octobre 2021 je leen présenté moi, Ahmadou Diop scène chroniqueur et scène serviteur Je en direct à travers les ondes de votre radio sunu la première radio panafricaine exceptionnelle de renommée internationale qui émet depuis la Californie chez Los Angeles de mon tàyyi Sunreumi ko wax suñ réew mi sun sommes comme comme amfi am fi libre souverain et indépendant Nous devons ko dans l'action matérielle sur le terrain du ma le régime présidentiel monarchique niñ ko est fondamentalement arrogant liberticide et rétrograde par définition moi aggraver un peu plus notre descente aux enfers par la seule volonté d'un Dieu sur terre mu d'un de constitution moribonde bi Nous ko un caractère offensant idyllique et blasphématoire autoritaire il faut que nous sànni la constitution moribonde bi élaboré à l'unanimité par voie référendaire des sénégalais et des sénégalaises Nous pensée par nous-mêmes et pour nous-mêmes au pays de la teranga la république du Sénégal et non sénégalaise dafa am nuance dafa wuute puisque l'étrange constitution est exclusivement écrite en français Lolo moo tax ñi la république sénégalaise ndax du and ndax français bi motax Te C'est bëgguñoo dekkal wolof loolu la rapine la c'est un outil d'asservissement et de domination culturelle, linguistique, financière et politique. Photocopie la donc largement dans les 13 autres pays africains soumis et sous tutelle coloniale. la République sénégalaise aurait pu avoir plus de tonalité et de portée politique république française la wax république démocratique algérienne la ñuy wax ak réew yi nga xamné dañoo am fayda waye ñun ñi nga xamné ñoo ci conscience patriotique pour le changement suñu existence liko ko waral danoo taxaw temm waaw di bëgg jog nak ñu jubanti suñu réew mi sous réew un état de droit séparation des pouvoirs amphi justice impartiale am ak non soumise de manière que nous puissions avoir une véritable contre-pouvoir réel libre indépendant et souverain sans la liberté kenn voyez dara lu Voyez, après 1963 ba nga il n'y a pas lieu de parler d'un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple nous mo fi nekk mo fi nekk ñun euh, répétition pédagogique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 ndax sun rajo bu proposer du neuf de briser les tabous de bousculer les idées reçues de innover de populariser la démocratie les conventions ubiesques de l'establishment s'inscrit dans sa trajectoire révolutionnaire qui évolue dans le bon sens des valeurs et des progrès immenses exponentiels salutaires et indispensables pour que nous soyons capables d'assurer le destin de notre pays sur des bases voulues, en toute logique, en toute indépendance et en toute conscience. Qu'on le veuille ou non, et n'en déplaise à la pestilentielle apérisée, notre média est devenu comme jamais un phénomène de société qui reste le seul à aborder librement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 lolu Amti, RTS la radio, télévision Racine Tala, Macky Sall dans le journal Le Soleil jant bi tous ces médias là publics ak privés passent au peigne fin tous arrimés et deviennent de facto des instruments alimentaires politiques soumis aux ordres monopolisés par le pouvoir calamiteux tortionnaire usurier dañuy xam noppi parce que dañoo manqué patriotisme te amuñu civisme waaye sun rajo bu mag bi mooy mottali seeni ndëngte te gis nañ ko tant par tant par la qualité des informations qui sont largement publiées à travers notre site sunu kër que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises à travers son radio bu mag l'avant-garde du civisme et du patriotisme te lolou noo ko def en toute humilité wax de yalla te une exclusivité nga la première radio panafricaine de renommée internationale nek ci Los Angeles vous ne trouvez nulle part ailleurs de telles informations utiles les plus importantes si diverses et variées par leur qualité éminemment prouvée, surtout celle qui relève de la géopolitique internationale, qui contraste parfaitement avec la platitude manifeste de la servilité en place. Nga avons daganal le bilan de plus en plus chaotique du négationnisme ethnique, révisionniste et dont l'immoralité malheureusement sans égal, exceptionnelle et substantielle à son taux d'ADN. Évidemment, il n'y a rien d'étonnant de la part d'un professionnel menteur en la matière qui ment plus qu'il ne respire. Sous Sénégal nous du ma sa génn ci mi ak ci bi depuis 9 ans nous ko il faut que nous régler le compte du traître en chair et en os et sa bande de fruits puis alignés ce Radio bu un panel d'intellectuels, d'hommes et de femmes ñun ñep de gros calibre doués et en matière grise s'exprime librement en toute logique en toute connaissance de cause et en toute conscience ndax dañuy démontrer magistralement ses capacités intellectuelles. dañu massa des têtes bien pleines ndax ñoy décortiquer décrypter l'actualité nationale et internationale et qui font part de leur expertise sur les produits toxiques, chimiques, notamment les faits divers scientifiques, sanitaires, sociaux, religieux et politiques, sans oublier les incivilités patentes dont sont coupables les politiciens véreux qui n'ont manifestement failli à leur mission régalienne. Nous dañuy oublié di la boîte de Pandore à certains citoyens égarés par leur manque de conscience qui se soulagent publiquement aux abords des bâtiments Dans son radio bu mag bi la radio la plus populaire qui reste comme jamais l'éternelle cheville ouvrière des sentinelles sénégalaises aux vérités implacables aux bras d'acier inestables et qui font constamment preuve d'analyse pertinente sans complaisance ne souffrant d'aucune ambiguïté sur la chose publique au Sénégal muy sunu Sénégal gi nga xam so l'actualité politique bi da ngay jommi ndax da ngay rus ndax so actualité politique bi day gëna marqué wu nga Nous day sét duñu xam fan la commencé ak fan la dañuy li nga ko conscience patriotique xam sa rew bëgg jëriñ sa sous nos principes, moi, fexe ba unir rassembler autant de patriotes sénégalais autour de nous. pour cela il faut que nous nous ñu détermination ñu indi ci patriotisme nous indiquions civisme nous indiquions indi ci sa xalaat bu rafet nous indi ci cité ñu ñu la démocratie participative à l'échelle nationale inclusive li nga xam ne mooy la clé de voûte manam la volonté politique de chaque sénégalais nga xamné sunu Sénégal gi nek le phare de la démocratie nga xamné plein développement économique politique militaire am fi sun soldats, ci ñu jox len moy yu takku yo xamné dañuy la sécurité de nos frontières aériennes et terrestres et la liberté de circulation des biens et des personnes bi fi jusqu'à sa mort l'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique et intellectuel et y mettre le prix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 des pays développés Lolo moo nous ñun tamit nous nekk ci suñuy combat légitime il faut que nous réformions impérativement le régime présidentiel moribond prédateur par définition ñu le régime parlementaire bi fi nekkoon nous nous un coup d'épée dans l'eau Nous réew mi nan des principes démocratiques et des institutions fortes, inviolables, respectées par des patriotes sénégalais émus de la fibre d'honneur. Nous fu une gouvernance vertueuse et irréprochable nga lolu dafa bu dañ il faut que ñu créer les conditions obligatoires pour une véritable gouvernance politique économique saine transparente financière nga xamné équité am fi éthique et attentif et ce sur la base de nos intérêts nationaux vitaux et légitimes de la nation sénégalaise pour toutes ces raisons et pour ce faire il faut que nous teg ci suñu bop de véritables sentinelles sénégalaises charismatiques de manière qu'elles puissent créer une impulsion dynamique pérenne cela étant il faut que nous cultiver le patriotisme, la démocratie, la justice et la justice tout court, la justice sociale et la justice tout court, nous am l'éthique l'équité l'unité nationale am sécurité am fi te lu ci manqué dara du xew il faut que nous rehausser l'étendard de nos valeurs te nous ci loolu la ñu nekk ñun nga nek ci CPC Comme nous war qui dans le trésor inestimable de nos valeurs hommes d'honneur yo qui ne yu mag lañu ay sufi non violence la def ñu enseigner seen xam-xam ci sunu dara yi ci sunu université yi ci sunu collège ak ci sunu école primaire aussi sun l'homme de la résistance armée notre héros national qui combattit farouchement l'armada coloniale pendant 24 ans, et ce, malgré la supériorité numérique et matérielle. A versé son sang et marqué d'une empreinte digitale sa vie, a livré des combats acharnés sans merci, combats metti face à l'armada du colonialisme repoussant. Boulad de Latir notre héros national qui tomba sur le champ de l'honneur, les armes à la main, à la bataille de déclé le jeudi 27 octobre 1886 avec deux de ses enfants majeurs Moukiendala, Nyabas, nyabas aksa Nyabas. beaucoup de ces guerriers redoutables et laissèrent leur vie qui combat resté de marbre historique dans l'histoire du Sénégal en tout cas d'un petit n'importe qui ne pouvait pas prétendre le titre da damel di kadior ndax ci jamono joju li nga wuyo dang koy nuru ndax ci jamono joju so beugé nek dammeel di kadior il fallait avoir l'esprit du sacrifice et la capacité de résistance te da nga war am fitu gaynde te da nga un homme de poigne te doo trembler comme une feuille morte te da nga war subir nak autant d'épreuves d'endurance tout azimut te da nga war combattre en même temps sur le terrain des hostilités te à l'âge de 15 ans nous musu ko nous def waye que nous ci sunu Sénégal gi nga xam du dafa tumuranke des temps modernes méconnaissables aujourd'hui nos soi-disant présidentialistes de la République des ténèbres te ki ci jitu mom dafa fen ba tous presque dañoo nek des multimilliardaires par les raccourcis politiques des postes de nomination de sa Ils se réduisent en pour n'être que des abrutis poltrons entre de gardes corps nga se donne piteusement la qualité de dirigeants imaginaires ndax ragal yu mag lañu te bu de des gros intellectuels de la trempe de Cheikh Anta Diop ak Mamadou que sais-je encore il faut que nous cultivions le civisme chez les populations le civisme de mas a nekk le reflet décent de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société. Le civisme implique impliquer le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique en tant que citoyen à part entière soit ma ay droit devoir devoir conscience patriotique pour le changement xam sa l'avant-garde nga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 et en toute indépendance C'est qui nga xam défendre par son altruisme l'intérêt général ñu watel ko su fekkente bi ne scrutin am te Macky ay carte euh, mu man day ay carte fi jël ndax fenn ba ndax ci tank ndëngate ndax lu mu wax weddi ndax day def des manœuvres dilatoires tout azimut kon koku workat bu mag la kon il faut que ndax Macky Sall corruption la gëm ndax il est réfractaire à la démocratie il faut que ñu génn ci suñuy euh, suñu cirque électoraux yi ñu abord ñu ñu menen pexé nga xamné changement réel et radical en fi et en action matérielle la ligne droite est la plus rapide. Il ne sert à rien de courir. Il faut partir à point. ndax Macky Sall day góomane suffrage universaliste moko ko ci pouvoir bi il faut que nous génn ci suñuy arme conventionnelle pacifique ñu contraindre ko par la force bon gré mal gré mu neex ko mu naqari ko mu mu mën a abdi ko ñu juge ko pour multu trahison ndax Macky Sall ak ñom Alassane Ouattara day gis ne l'issue des scrutins de Pakoti, ñu ngi ko joué nécessairement dans la cour des voleurs en bande organisée Nous avons gis que dafa avons une simple formalité administrative qui passe comme une lettre à la poste Comme le Sénégal nous avons échapper vraiment aux contingences mondiales su fait qu'un bi dafa bëgg a yilif boppam lépp lu muy def mu def ko ci coobaray boppam ndax sunu rajo bu mag bi eh, nga xam des qualités exceptionnelles la qualité est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence Yokute am les centenaires sénégalais qui s'expriment librement en toute logique, en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues et qui compensent par leur esprit alerte la bassesse et la médiocrité d'une certaine caste politique, euh, euh multimilliardaire des raccourcis politiques les sentinelles sénégalaises qui s'expriment à travers les ondes de notre radio sunuker.com nous ñëpp dañoo une logique crédible patriotique nationaliste bien placée qu'elle distille peu à peu dans les consciences sénégalaises pour que sunu Sénégal aille de l'avant sunu Sénégal gi sur la trajectoire des grandes nations émergentes nga ku que ñu ko notre radio sunu quant à elle historiquement et présentement, elle est par définition la référence exemplaire et à la différence d'une certaine caste à de référence s'accommode mécaniquement et hystériquement par la désinformation et la manipulation. N'agit qu'au doigt et à l'œil du régime capitulaire négationniste et de son chef valet, menteur professionnel, profanateur mécréant, franc-maçon, nègre de service en place. Notre radio, sous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 ndax sentinelle sénégalais yi nekk ñu fi rek di proposer des solutions concrètes et pérennes nga xam ne Sénégal gi nekk émergent Nous xam à celui des menteries inflationnistes fascistes comme vous le savez votre fidèle chroniqueur hebdomadaire et votre serviteur chaque semaine que Dieu fait damay indi benn sujet di bind wax par audio mais décrypter objectivement en y apportant les traitements objectifs des informations et sans complaisance d'aucune sorte la dépendance dynamique humiliante la pauvreté n'est pas un fatalisme c'est une question de fibre patriotique d'abnégation de volonté politique et d'altruisme la défense des intérêts d'un peuple est proportionnelle au degré de sa conscience. Le, panafricanisme, le panafricanisme ne peut être en aucun cas source de casus belli. Pour ce faire, il faut que nous ayons l'obligation d'opérer une véritable rupture nette, radicale, dans nous nationaliser toutes nos ressources vitales et tous, tous les secteurs clés vitaux en toute indépendance et en toute conscience sur des bases voulues si nous voulons assurer notre souveraineté monétaire, économique, financière et la défense nationale. Comme Armand Diop, le coordinateur de la conscience patriotique pour le changement, m'a présenté cette émission à travers les ondes de votre radio Sunukur, le média sénégalais, le symbole par excellence du patriotisme et du, et du civisme. Compétence, crédibilité, objectivité, ndax xew-xew une exclusivité exceptionnelle taxaw jonn di liggéey suñ réew mi suñ réew mi moom yilif bopom aar ay marchandisam ak ay top ci les nations émergentes nga xam ne sunu Sénégal gi lu ñu mën wax a un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance nga ne face au marasme social du chômage endémique nga ndax bi bari la pandémie mortelle le paludisme et les maladies rénales les chertés de la vie de surcroît la répression tout azimut des restrictions de la liberté d'expression de la part de la soldatesque chevaleresque du pouvoir totalitaire colonial la conscience patriotique bëgg Ram Séréo se dresse debout contre ce que nous appelons euh, euh, la démonstration magistrale nga à l'encontre des citoyens pour museler la démocratie comme vous le savez la dépendance servile politico-financière économique de l'actuel pouvoir apocalyptique ethnique ségrégationniste intégralement intégriste d'apartheid vis-à-vis de l'extérieur vous ñu euh, la mesure des incapables qui n'ont point de méthode de travail Comme sans plus tarder nous abordé aborder une chronique hebdomadaire du 26 octobre 2021 Sur notre thème, bi nous mooy de wax pour l'honneur la gloire et à la mémoire du héros national, le résistant armé, le plus célèbre et le plus audacieux dans le panthéon de la lutte contre le colonialisme. Anniversaire de la Diorgone Latir 1842-1886. Comme Souba, dañuy anticipé, suba l'anniversaire de la le 27 octobre 1886. 86 ndax 27 octobre 2021 kon date bi dafa une date charnière historique ndax marqué l'anniversaire de la mort de celui qui fut incontestablement le symbole du patriotisme et de la résistance armée au Sénégal. Comme vous le devinez, je parle bien sûr de l'adjoint Ngoné dont l'audace et sa capacité Donner du fil à retordre aux envahisseurs. Pour le temps qui m'est imparti, je suis bien obligé de raccourcir la chronique pour dire l'essentiel. Et vous le comprenez. Pour autant, je remets les pendules à l'heure. C'est une grosse pointure, la Diorgone dafa am une lignée noble euh, euh, et maraboutique. la Dior mon le fils de sa xewar soxna Mbay Diop et de la lingère euh, Ngoné Tifal. et elle-même la fille de Absa monoun qui est elle-même la fille de Ndiamé Jahate, un marabout bien connu dans le Kajor. nga xamné kan moy la au parcours exceptionnel dont la solidité mentale fit de lui un brave guerrier redoutable qui n'est jamais qui n'a jamais tremblé comme deux feuilles mortes, ni impressionné, ni impressionné par la puissance de feu des coups de canon. nga xamné ñom ñoom dañuy tirer dañ tirer cent coups de canon à la minute kon koku jambar la muy Lat la Ngoné Latyr Diop Lat Dior Ngoné le patriote l'homme d'honneur l'inimitable téméraire l'emblématique soldat l'inoubliable référence figure de proue qui prit les armes et âgé seulement de 15 ans ndax ndax entrer dans la case de l'homme en même temps qu'il a 15 ans Il faut la lutter avec bravoure contre l'armada coloniale pendant presque 20 ans jusqu'à sa mort Il dafa sur le chemin de l'honneur à les armes à la main la Dior et ses guerriers ceddo redoutables ont infliger une défaite cuisante à Majojo, soutenu par les Français à la bataille de Koki en 1861. Comme sous le 27 octobre 2021, nga anniversaire de la Diorbi, 135 ans après la disparition du plus célèbre résistant à Dakhla et au Sénégal, qui se trouve à quelques encablures de Kilmakhambakol, le berceau et le fief de la bravoure indélébile. Qu'on nous rendre un grand hommage vibrant à la dimension de l'homme, du refus aux qualités remarquables représentées en la personne du dernier Damel du Cayor. oui l'emblème de gros calibre, nos soldats, le plus téméraire de toute l'histoire du Sénégal, qui se dressa la tête haute contre l'armada réunie en particulier de Faderbe, avec Pinelaprade, Prade, avec le capitaine Valois, pour ne citer que cela. Vous voyez, ce la plupart des pays européens, ils ñëpp ñi sont de des nga Ils ne dañ leen di sacraliser nga xam ne képp koo xam ne sont nga di def ay insanité ci ñoom da nga réccu doon dëkk bi fi

en faveur des Français ndax ndax Madiodio fut définitivement battu Té la bataille de la Dior euh, contre les troupes françaises mi commencé en 1856 à la décision de construire la ligne télégraphique Dakar-Saint-Louis et celle du chemin de fer dans le même sens la ligne ferroviaire fut fut financée par la société des batignolles nga xamné tay mo SNCF ndax 12 janvier 1864 eut lieu euh, euh, lieu la terrible bataille de Loro pendant cette fameuse bataille ensanglantée les troupes coloniales ont utilisé utiliser pour la première fois un armement lourd moderne nga xamné ñu ko mitraillette lourde des coups de canon nga ce genre d'armement n'avait jamais était utilisé en sol africain waaye dañ ko utilisé ci Lat Joor ndax Lat Joor Ngoone et les Ceddo euh, rencontrèrent la laprade à Loro nga xam ne rey na ci tubaab yi ñu bari waaye nak Lat Joor ci moom daanaka ñu ne trois cents personnes le marabout Maba Diakhou Ba fils de Lat son général le général de son armée nga xam ne dañ doon euh, euh, plusieurs campagnes militaires, dont la plus connue mingi euh, n'est sans doute la bataille de Pascoto ou Bayan, où l'armée coloniale, sous les ordres de Pinelaprade, Prade, de subir une, lourde défaite. Après la mort de Mabadjahou, à la bataille de sombre en 1867, la Dior de retourner au Cayor, pour retrouver son royaume au bord de la dislocation. Waye Faidherbe da tenter d'imposer son protectorat ndax et son armée dañoo rendre euh, dañoo rendre le 26 octobre 1886 à pour combattre les colons français nga xamné les le dernier d'Amélie euh, nga dafa génn euh, sur le champ de l'honneur avec deux de ses enfants majeurs et beaucoup de ses partisans. nga en dehors du soldat Ladjongone Latirjo qui put tenir tête à l'armada coloniale pendant euh, de si longues années de combat amul keneen ko xam le Damel du kajor mon le courage d'affronter un tel ennemi lequel ne lesina jamais sur les moyens euh, logistique et écrasé sans remords tout récalcitrant qui les défia sur le terrain Dior tous les écrits m'ont corroboré, corroborer admettre incontestablement que que la Dior fin stratégie la sa loi ndax maîtriser plus que jamais euh, euh, le terrain il fallait donc nous rendre euh, l'adjor sont un vibrant hommage ndax l'adjor un homme de poigne nga xamné là muy laba nga xamné dafa des nerfs d'acier face à l'envahisseur ndax dafa mener euh, sans quartier cette mission si périlleuse nga je me passerai de sa lignée et des qualités remarquables qui xamné daf ko durant son existence bo xamné de courte durée mais chargée d'histoire un tel homme mérite vraiment du respect et des égards. Le Sénégal marche sur la tête et à contresens de l'histoire. le Sénégal tourne indignement le dos à celui qui s'est battu 24 ans, a livré 42 combats acharnés sans répit contre les envahisseurs jusqu'à sa mort à Derklé. Madame, le jeudi 27 octobre 1886 à déclé qui 11 heures, mu Aduna, les armes à la main avec deux de ses enfants majeurs Sakhawar Niabass ak ak Thiendella Niabass nga xam ci xare beaucoup de ses guerriers dañu genn aduna. Waye pour rappel Mamadou Racine Muru, muru euh, au Mali ndax fofu lañ ko fofu lañ ko ndax mo intégré won les tirailleurs sénégalais bi nga xamné federbo moko moko Moko indi en 1857 ndax l'indomptable patriote et le seul résistant à prendre les armes et livrer des combats nga ci contre les troupes euh, euh, coloniales étrangères nga malgré la supériorité numérique de ces des envahisseurs kon voyez, amal jusqu'ici personne n'a eu euh, euh, un, bilan exceptionnel un beau palmarès nga sargal muy l'étranger ne doit pas ne doit pas construire ndax la on nous tue mais on ne nous déshonore point disait-il le poète de la négritude moko approprié pour son compte la construction du chemin de fer Dakar Saint-Louis mo indi euh, le Sénégal day trahir ses héros ses hommes d'honneur waaye day idolâtrer ses oppresseurs ndax da leen bénir ndax perpétuer mémoire dans ce pays il y a eu beaucoup de résistants au Sénégal mais en dehors de la Dior personne n'a combattu les armes à la main et lutté farouchement aussi longtemps par sa faculté mentale et par son courage par sa ténacité sa bravoure fidèle lui de lui un résistant qui n'a jamais cédé d'un pouce ni tremblé face à la domination coloniale. Bref, il fut un personnage téméraire hors du commun que le Sénégal ait connu jusqu'ici à nos jours. Alors que chez nous, au Sénégal, les, les oppresseurs colonialistes qui font légion sont immortalisés en toute impunité à la place des bons patriotes historiques sont relégués au second plan waaye li nga xam ne Sénégal en effet depuis quelque temps comme comme vous l'avez sans doute remarqué dafa am benn film boo xam dañ intitulé les vautours arrivent Maintenant, moo la bande annonce de mauvais goût et de puanteur indescriptible faisant référence à Lat Dior Ngoné Latyr Diop hystériquement la chronique circule abondamment sans trêve sur Internet et notamment dans les réseaux sociaux, et YouTube, et dont le but, une avouée, est de nature à, décrédibiliser et de, et de discréditer celui qui est non seulement considéré à juste titre comme une institution et un héros du Sénégal, tant par sa bravoure exceptionnelle que par sa valeur guerrière indélébile sans merci contre le colonialisme. L'homme en vérité le film tant annoncé à grand renfort de publicité qui, euh, qui nous révulse est plus qu'un affront et un manque de respect doublé d'un cynisme profanateur contre vents et les faquins en bande organisée ont décidé de sortir le mauvais film maudit c'est le cas de le dire qu'on le veuille ou non il s'agit bien d'une déclaration de guerre obscure claire non assumée et par des voies altérées détournées tendant à porter atteinte par la ruse à la mémoire et à l'honneur d'une figure historique, charismatique et emblématique, et par-delà toute sa famille que l'on insulte. Madame, de telles dérives incongrues constituent plus qu'un trouble à l'ordre public, voire un blasphème contre la mémoire du plus célèbre résistant armé jamais égalé au Sénégal. Comme face aux insultes permanentes qui n'ont que duré, nga peindre affreusement ndax diaboliser dans une campagne de dénigrement systématique l'icône de classe exceptionnelle muy Lat personnellement j'interpelle j'interpelle donc les plus hautes autorités sénégalaises nga xamné le devoir moral de laver l'honneur de ce patriote et de prendre à bras le corps des mesures conservatoires à l'encontre des autres euh, euh, des un tel kilo ndax c'est un sacrilège inadmissible avec en prime des euh, des calomnies indignes inconcevables or il ne suffit pas de débiter des mensonges torrentiels pour qu'ils soient de vérité éternelle ndax la na Ngoné à l'endroit et à la place qu'il faut le colonialisme de bind de marbre dans ses mémoires et dans ses archives tant que la Dior ngi empêcher de dormir comme il faut absolument que les perturbateurs les producteurs de telles incongruités cataclysmiques bénéficient des circonstances aggravées et qu'ils soient démasqués et traînés dans la boue et sans faiblesse avec toute la rigueur nécessaire dans les tribunaux de façon que le coup soit exemplaire nga xam ne nga xam ne dañoo taxaw temm di bëgg tutal l'a Dior par seeni impunité et ce sans état d'âme pour que une telle indécence ne puisse plus prospérer ni se reproduire Manam, le dernier d'Américain et toute sa famille dañ leen di assimiler à des trafiquants de drogue te lolu ñaawna. manam les altérations s'autorisent des libertés monstrueuses à dessein de nuire à la réputation d'un homme d'honneur et d'avoir une autorité de caniveau ndax caricaturé caricaturé, déverser gratuitement des litanies indécentes contre un redresseur des consciences quand on est petit inculte on agit petit et de la sorte Maintenant, les ignares à cariat se rabaissent eux-mêmes, s'accordent, s'accommodent, se déshonorent, les abîment un peu plus au lieu Moulendi élevé. De grâce, que l'on ne me parle pas d'art, de démocratie, de liberté d'expression, de satire, d'ironie, de caricature ou d'habileté et je ne sais quoi encore. Il s'agit bien entendu de blasphème, d'indiscipline caractérisée et de comportement attentatoire à l'égard de combattants hors pair. Madame, les âmes pourries, schizophréniques, n'ont que de la haine viscérale, du sang dans la bouche et du mépris abyssal contre celui qui a laissé sa marque digitale dans les années, euh, dans les annales de l'histoire. Madame, n'en déplaise aux esprits moribonds qui mourront de même de haine. La dior et le dernier du Koya n'est pas n'importe qui, mais un immortel soldat fut, considéré comme l'ennemi numéro un des Français, le plus considérable, le plus redoutable, le plus redouté, le plus coriace, a gravé son nom d'or dans, dans la postérité et laissé des traces impérissables dans l'histoire du Sénégal. Et ce, malgré leur supériorité numérique et matérielle. Comme soyons reconnaissants, loyaux, clairs, justes et moins hypocrites et pour cause on tue la vérité en ravivant les mensonges grossiers qu'une caste de vermine prend comme un marqueur. Le Sénégal, d'une certaine rancœur méprisable, abyssal et, et méprisable, maintenant jusqu'à la et le, et le ciel ouvert à des ndax dañuy rabaissé, ndax dañuy cracher délibérément sur des hommes de valeur et sans et ce, sur des bases purement calomnieuses, des ragots honteusement colportés ici ou là. Bien que son apparence veuille qu'elle soit idyllique, sous sous le Sénégal c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ça, malheureusement, la caractéristique essentielle ou le paradoxe du pays de la Teranga. En vérité, l'histoire m'a donné raison. mon je répéter en toute humilité kon vous gagnez, ma ngi rendez-vous mardi prochain ci sunu émission bu ñu tuddee Je vous mi ma à travers les ondes de votre radio sunuker.com la première radio panafricaine exceptionnelle de renommée internationale qui émet depuis la Californie de Los Angeles Djeridjof et merci. gaal gi moom du mës a suux du mës a kër FM seeni kër ah sama gaañ yi dégloo dégloo di Snooker FM.